le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit euh, les journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité nigérienne. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, euh, c'est euh, le drame survenu au quartier aéroport de Niamey qui a coûté la vie à 60 bras valides. Autre triste sujet, c'est la fréquence des vols de véhicules dans la région de Tilaberi. L'actualité, c'est aussi et toujours les coupures intempestives d'eau et d'électricité à Niamey et dans plusieurs autres localités du Niger. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa, bonsoir. Bonsoir. Et Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans ce premier forum de la presse du mois béni du Ramadan qui a commencé avec un drame au quartier aéroport à Niamey dans la nuit du dimanche au lundi. 60 morts et une trentaine de grands brûlés encore une situation incertaine. Suivons quelques explications à chaud du capitaine des pompiers Hamani Abdelaziz la population a tenté de siphonner le carburant. Lorsque les secours étaient arrivés, déjà l'opération de siphonnage était en cours. On avait tenté de mettre un périmètre de sécurité en place, difficilement, et ça a une étincelle dont la provenance directe serait ignorée. Il y a eu un départ de feu suivi d'une explosion. Malgré le problème de sécurité, à la fin de l'opération, on a dénombré 55 brûlés calcinés, 37 blessés dont 34 blessés graves, 3 blessés légers. Sur le plan matériel, on a le camion citerne qui a brûlé. Il y a une vingtaine de motos qui ont été calcinées. Un camion TLM qui était à côté de la station, cramé aussi, en plus de deux véhicules légers dans les parages. Heureusement, on a pu éviter la propagation vers la station qui était à quelques mètres de là. Ousenissa Jibo, vous venez d'écouter le commandant des pompiers était-il possible de limiter les dégâts Merci Mokhtar. Et je commence d'abord par présenter les condoléances aux familles pleurées. Et c'est vraiment dommage ce qui est arrivé, mais malheureusement, malheureusement, les gens n'ont pas perçu, bon, on peut dire aussi c'est le destin quelque part, ils n'ont pas perçu parce que tout le monde est censé savoir la dangerosité de, de l'essence. Parce que l'essence, c'est des éléments, c'est du gaz, mais également avant le liquide. Et c'est le gaz, là, souvent, dès que c'est en contact avec le feu, quand le camion est tombé, il semble que le chauffeur et son apprenti, on a pu les remonter. Et ils, connaissant le danger, ils sont partis. Et c'est le, les populations, comme avait dit, riveraines, qui ont accouru parce qu'ils ont vu l'essence commencer à s'écouler avec des récipients, des bidons de 20 litres. Et, malheureusement, je ne sais pas, parce que tout à l'heure, il vient d'expliquer, c'est parti d'une étincelle, je crois, liée à une moto, parce que les gens s'informaient. Il y en a qui ont quitté des quartiers un peu lointains pour venir aussi chercher cette essence-là. Malheureusement, quand l'essence, en tout cas une telle quantité d'essence, quand ça prend feu, c'était une boule, euh, comme on avait dit, de feu, à travers les images qu'on a vues. Ça veut dire dans le rayon, là, tout ce qui était à côté du camion, tous ceux qui étaient à côté, il n'y avait pas possibilité de sauver. Ce que les pompiers ont pu faire, sécuriser la station là, moi j'ai dit c'est une prouesse. C'est une prouesse parce qu'à côté de la station, ils viennent de le dire, il y avait un camion qui était stationné. Le camion même a pris feu. Imaginez si la station là aussi prenait feu, ce que ça allait être. Mais malheureusement, il faut déployer et il faut faire la sensibilisation. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. Ou mm. est-ce que c'est la sensibilisation qui manque non, mais je veux dire quelque part, les gens, ils sont dans une situation souvent de dénuement et les gens veulent aussi, quelque part, un peu, comment vais dire, ils se sont dit, bon, certainement, la, la réflexion, c'est de dire, on va aller prendre, on va aller prendre, on va vendre pour trouver quelque chose. Mais l'essence n'est pas un produit avec lequel on peut s'amuser. Ça aurait été l'eau, bon, ça n'allait jamais exploser. Mais quand il s'agit de l'essence ou du gaz domestique, c'est très dangereux, il faut sensibiliser les gens. Le, gaz n'est pas récupérable, mais les, les gens se disent qu'ils peuvent récupérer. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu, comme avait dit, le camion, si vous avez vu les images, il y avait des gens, il y avait pratiquement tout autour de, la, de citerne, il y avait des gens qui avaient des récipients. il y en a qui ont pris, ils sont allés, ils sont revenus encore. Et c'est à ce moment que ça s'est produit. Moi, j'ai dit, il faut sensibiliser. Quand bien même la sensibilisation, ça peut se faire. Mais les gens vont toujours perdre de vue que quand des choses comme ça se produisent, il y a toujours l'irréparable qui, risque de suivre. Ça s'est passé, ça se passe un peu à rase campagne dans des pays comme le Bénin, comme le Cameroun, comme le Nigeria, où les populations, les, villageois, ils accourent aussi pour prendre. Et à chaque fois, on voit, c'est des drames. À chaque fois que ça se produit, c'est des drames parce qu'il y a toujours un inconscient qui va venir avec, comme euh, comme avait dit, euh, dans, <laughs> l'ambiance. La, lampe tempête. avec lampe tempête, ou si c'est la nuit, avec lampe tempête, ou qui va vouloir brûler une cigarette, ou, mm. tout ça, sans se dire que le, site sur lequel il se trouve, c'est un site extrêmement dangereux. Voilà c'est à quoi on a assisté ici, malheureusement, sur la route de l'aéroport euh, la dernière fois. Garé Amadou, euh, avez-vous des précisions sur le bilan exact de ce drame et quel type de sensibilisation faut-il euh, pour éviter un tel drame oui, les derniers bilans font état de 60 morts parce que je crois que parmi les, les, grands brûlés, là, certains ont succombé. Moi, j'étais à l'hôpital, et j'ai vu, des, vu des, victimes. Franchement, si vous voyez certaines personnes, vous sentez que c'était extrêmement compliqué, extrêmement brûlé pas Ça respirait un peu, bon, vraiment, ça, fait pitié, quoi. C'est pas pour rien que quand, tu, quand vous partez là-bas, vous ne pouvez que verser des larmes quand vous voyez des, choses comme ça. C'est vrai que il faut faire la sensibilisation parce que c'est extrêmement important. Parce que quelque part, il y a une sorte d'inconscience l'inconscience du danger qui amène les gens à faire ça. Parce que vous avez entendu qu'au Nigeria, combien de, de, cas 300 morts, 400 morts. Les gens qui partent vers les pipelines, là, que les pipelines sont un peu pour siphonner, ça explose. Vous avez, vous avez entendu. Mais qu'est-ce qui se passe Quelque part aussi, il y a la responsabilité de l'État qui a créé, qui a laissé perdurer une situation qui risque d'être extrêmement dangereuse. Qu'est-ce que j'appelle une situation dangereuse Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des vendeurs de, d'essence ambulants. Partout. Il y en a partout dans la ville. Des gens qui vendent dans des bouteilles de 1 litre qui vendent de l'essence. Alors, ces gens-là, quand ils entendent qu'un camion citerne s'est versé, la plupart sont partis là-bas. Hein. oui, la plupart sont, sont partis là-bas. Les revendeurs d'essence, là, ils sont partis là-bas pour puiser, pour pouvoir avoir un stock pour vendre. Vous voyez et on a laissé faire. On laisse... Dès que vous sortez euh, sur le goudron, vous voyez des gens qui vendent de l'essence. À gauche, vous voyez des gens qui vendent de l'essence. Est-ce que ça, c'est normal Est-ce que l'État peut continuer à, laisser des gens comme ça faire une occupation comme ça Et ce sont les gens comme ça, là, quand un camion terre tombe, c'est eux qui courent pour venir avec des jerrycans et tout, tout, tout pour remplir. C'est eux. Hein. il y en a beaucoup parmi eux qui sont morts. Donc, il y a vraiment deux travaux à faire. Il y a d'abord, il faut interdire la vente de carburant qu'on dit fraudé, n'est-ce pas, dans la ville. Il faut interdire cela. Deuxième chose, il faut sensibiliser les gens sur les dangers de l'essence. L'essence, là, même chez toi, c'est très dangereux. Avoir des bidons d'essence déposés chez toi, c'est très dangereux. Parce que rien qu'il y a euh, un mois de cela, au quartier Talaye, il y a eu un cas comme ça d'incendie. Où le monsieur était venu de voyage et il avait deux bidons, n'est-ce pas Deux bidons d'essence dans son véhicule. Maintenant, il y avait des enfants qui étaient en train de faire du thé, je crois. Il y a eu une étincelle. Bon. Toute la maison est brûlée. Il y a eu trois morts, je crois. Le véhicule est brûlé, tout est brûlé. Vous voyez L'essence, c'est pas quelque chose, c'est pas comme, c'est pas comme de l'eau. Il faut faire attention. C'est-à-dire stocker de l'essence à la maison, moi, je ne le ferai jamais. Jamais de la vie. Prendre des bidons d'essence, amener à la maison chez moi, la déposer. Pensant que non, non, c'est, je fais de l'économie. Non, non, non. Quand j'ai besoin de carburant, je vais à la station, je vais. Deuxième chose, vous voyez, tout à l'heure, on était en chemin, m'a effectivement euh, euh, euh, mis la puce à l'oreille par rapport à certains comportements de, des propriétaires de camions citernes qui viennent, qui déchargent leur cargaison pendant que les gens sont en train de payer le carburant. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire qu'au niveau des stations d'essence. Au niveau des stations d'essence. Non, on doit, on doit leur intimer l'ordre que quand vous voulez décharger de l'essence, faites-le à partir de 2 h du matin ou la nuit. Mais pas en plein jour, pendant que les véhicules passent. Et quand les véhicules passent, donc ça veut dire qu'il y, y, y, a de la chaleur. Et quand un véhicule vient au niveau d'une station pour charger, parfois on n'oblige même pas les, les, les conducteurs à éteindre les moteurs. Et donc il peut y avoir une étincelle. Donc c'est extrêmement dangereux pour le moment, il n'y a pas eu, mais je sens que si on ne met pas des mesures, un jour, un problème comme ça risque d'intervenir. Ou un camion citerne va exploser au niveau de nos stations et encore fait beaucoup plus de morts. Garamadou, pour certains observateurs, l'oisiveté, la pauvreté, le fait que les pouvoirs publics regardent impuissants se développer, la vente du carburant par des informels, vous l'avez euh, évoqué, sont des facteurs qui contribuent à de telles euh, situations regrettables. Êtes-vous de cet avis ou ou avez-vous d'autres euh, argumentaires Oui, c'est-à-dire que tous ces arguments se valent, mais il y a quand même le souci, le, souci de la facilité. que, je vais vous expliquer une chose. On m'a expliqué que, je ne sais pas c'est dans quel, dans département euh, du pays, un camion qui transportait du riz s'est renversé. Maintenant, entre le moment où le chauffeur est sorti pour partir chercher des trucs pour venir décharger, les habitants sont venus, ils ont pris tous les sacs. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris, tous les sacs, ils sont, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils ne peuvent rien faire. Donc, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai, il y a la misère. Vous comprenez Il y a la pauvreté. Mais c'est pas ça qui peut expliquer le fait que tu braves le danger pour partir essayer de, de, de, de, de siphonner de l'essence en sachant que c'est quelque chose de dangereux. Mais il y a quelque part de l'inconscience. N'est-ce pas Il y a l'inconscience parce que l'inconscience, c'est quoi Vous avez, Tu as entendu qu'il y a eu des cas comme ça où des gens sont morts et puis toi, tu viens. Il y en a qui sont venus, qui ont pris une première quantité, qui sont partis Quelqu'un m'a a connu dans il dit qu'il y a un qui est parti, il a, rempli, et maintenant on lui a dit non, ah, ça va, ça va. Il dit non, non, il va retourner faire un dernier tour. Il est mort. Il était parmi les morts. Vous comprenez C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Il a Mais il faut interdire les vendeurs d'essence de, ambulants de la ville. Je vous assure. Parce que dès que ces gens-là, dès qu'ils entendent qu'un camion s'est renversé, je vous assure qu'ils vont fermer boutique, ils vont partir avec leur pour... C'est comme ça que ça se passe ça vous avez quelque chose à ajouter euh, oh, mais C'est que j'ai ajouté hein, par rapport à, notamment le ravitaillement des stations d'essence. Je dit il faut réglementer ça. Il faut réglementer parce que ce que Gary vient de dire, <laughs> le problème risque de se poser un jour. Normalement, on doit pouvoir créer les conditions pour que les stations, les camions transportant, les systèmes transportant du carburant rentrent à une certaine heure de la nuit où il y a moins de circulation pour ravitailler ces stations-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où le train va survenir C'est que des quartiers entiers vont, vont, vont, disparaître de la carte. Euh. Moi, j'ai dit, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Tout le monde connaît un peu, comment la dangerosité, je l'ai dit, de, l'essence. Tout le monde sait, tout le monde, on n'a pas besoin d'aller à l'école. On sait que l'essence, ce n'est pas. Il y a deux composantes le gaz là qui est là, et c'est ça qui s'enflamme d'abord avant de, d'attendre le liquide. Et c'est ça qui a fait les dégâts, parce que ça a explosé. Quand ça a explosé, ça s'est. Mais les gens qui sont allés le plus souvent, bon, il paraît qu'il y a même des gens qui sont. Ce n'est vraiment pas des nécessités. Ce n'est vraiment pas des nécessités. selon vous, c'est pas la pauvreté. non, c'est un peu la part, le, facile. Oui, la part. Quelque, part, tu t'es dit bon, j'ai je, vais trouver le mécanisme pour ne pas acheter de l'essence pendant au moins une bonne semaine. Je vais aller puiser. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ils ont perdu, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. deux véhicules de l'équipe mobile de Médecins sans frontières MSF ont été enlevés la semaine dernière à 12 km de Bani Bangou dans le département de Walam. Cette semaine, c'est dans le camp des réfugiés maliens de Tabarbaré à Ayuru que deux autres véhicules ont été dérobés, sans oublier qu'à Main soroa le mois dernier, des véhicules de MSF ont été incendiés ainsi que des bureaux de l'ONG. Gary Amadou, comment comprendre la facilité avec laquelle ces individus arrivent à s'emparer et fuir avec euh, les véhicules euh, sur les terrains sous état d'urgence D'abord, il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faudrait noter. C'est-à-dire que pour moi, ces attaques-là contre les véhicules des ONG prouvent une coordination entre les groupes terroristes au Sahel. Parce que si Adifa Boko Haram a envoyé des éléments pour brûler le locaux de MSF, et que Attila Berry ou Boko Haram n'est pas présente, c'est des groupes djihadistes du, euh, Sahel qui ont commis cette acte. Ça veut dire qu'il y a un mot d'ordre qui a été donné. Une connexion. Oui, c'est évident. Dans, le même, dans la même période de temps. Est-ce que vous comprenez dans la même, Ça veut dire qu'il y a une coordination. Ça veut dire qu'il y a une stratégie que les terroristes veulent déployer. Pourquoi Deuxième, il y a, peut-être un, problème de logistique au niveau des terroristes. Ils veulent avoir les moyens nécessaires de faire face à la force du G5 Sahel au cas où son financement venait à être bouclé ils veulent peut-être aussi décourager les ONG à agir, n'est-ce pas, afin de créer une situation de désarroi, une situation de vraiment qui, qui peut leur servir, une situation de débandade. Est-ce que vous comprenez Pour moi, c'est ça le, donc c'est sur les deux raisons que moi je suis en train d'invoquer. Mais moi, ça m'étonne. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui s'est passé à Tilaberi, vraiment, Dans le cas des réfugiés de on en revient à l'utilité vraiment des forces étrangères au Niger j'ai dit, déjà dit ça sur ce, plateau, il faut que les forces étrangères puissent prouver leur utilité sur le, sol national. Moi, je ne suis pas contre leur présence. Mais il faut qu'ils. Mais comment peut-on. La plupart des véhicules des ONG sont des véhicules d'équipement. et, le camp de Tabarabare, pour avoir accès, il faut l'autorisation du préfet d'ailleurs. En fait, il y a un problème. Ça veut dire que quand les terroristes sont venus, le camp n'était pas sécurisé. Parce que moi, j'étais, il y a quelques années, deux ou trois ans, j'étais parti à, à, On est parti au niveau de Tabarbaranapap. Oh, on s'est renseigné. On, dit que non, la sécurité, c'est à partir d'une heure à une autre heure. Ça veut dire qu'il y a des périodes où il n'y a pas de la sécurité. Parce qu'on dit que les gens sont venus en moto, tranquillement. Hein. ils sont rentrés dans le camp. Ils ont, ils, ont, ils ont, pris les voitures, ils ont menacé les gens, ils n'ont tiré, sur personne, et puis ils sont partis avec le véhicule. Ça veut dire que la sécurité n'était pas sur place. Pourquoi Voilà une anomalie. Deuxième chose, les véhicules des ONG, là. C'est pas des, des, véhicules banaux comme ça là. Hein. C'est des véhicules qui ont des GPS normalement qui peuvent être tracés. Alors comment se fait-il que ces véhicules là, on vient, on les prend et on passe tout, on prend tout son temps pour traverser la frontière partir au Mali sans que les drones, les drones qui sont là, ne puissent pas surveiller, ne puissent pas décoller pour suivre le, cheminement des véhicules. Quand même, moi, comment, comment on peut m'expliquer ça Mais ils sont où les drones là qui peuvent surveiller, qui peuvent surveiller le, le mouvement de ces véhicules là Ouais, donc, vraiment, il y a des choses, il y a des choses qui nous amènent à nous inquiéter. Moi, ça m'inquiète. Moi, je me dis que les forces occidentales, là, elles doivent prouver leur utilité. L'Occident déjà n'appuie pas la force du G5 Sahel pour le moment parce qu'il peine à avoir son budget. Et vous avez, il y a quelques jours, on a entendu, il y a un hélicoptère suspect au Mali. Vous avez entendu cette histoire, non Un hélicoptère qui appartiendrait aux terroristes. Qui appartiendrait, j'ai dit bien. Bien sûr, pas la. Mais on, on suppose que ça appartient aux terroristes. Qui leur a donné un hélicoptère et c'est un hélicoptère russe, je l'ai vu. Donc, il y a des motifs d'inquiétude. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas comprendre qu'en un laps de temps, on arrive à voler les véhicules des ONG, jusqu'à pousser les ONG à, prendre la mesure la plus dure, qui s'affane le cœur, de suspendre leurs activités quand on sait les conséquences pour les populations civiles. Vous voyez Donc, moi, pour moi, il faut revoir la sécurité au niveau des camps, n'est-ce pas Et il faut que les ONG aussi puissent renforcer la sécurité de leurs éléments quand ils vont sur le terrain. On ne peut plus lancer les véhicules dans la brousse. C'est fini ça, c'est terminé. Donc aux ONG maintenant de prendre en compte cette nouvelle situation-là s'ils veulent continuer à travailler sur le sol national. Hussein Issa, mercredi, le Conseil de sécurité d'Ayoru a décidé d'escorter désormais les humanitaires et de renforcer les patrouilles. Cela est-il euh, suffisant mais moi, je dis, hein, moi, je dis d'abord, je vais commencer par là où Garay a terminé, c'est qu'il faut bien se poser la question. La zone de Tilaberi est carrément militarisée aujourd'hui. sous, état d'urgence. mais bien entendu, il y a l'état d'urgence, tout comme de l'autre côté, dans la région de Difa aussi, c'est l'état d'urgence, et une partie aussi de la région d'Ottawa. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un tel contexte, que des gens puissent parvenir. De, se déplacer à de jours. Jour, oui, oui, de jour comme de nuit. Parce que la circulation des motos même est, interdite, mhm. tout comme celle des véhicules. Et on crée les conditions, malgré tout, il y a des gens qui parviennent à traverser la frontière malienne, à attaquer, comme avait dit, des positions tantôt militaires, tantôt des villages. Aujourd'hui, c'est des, comme avait dit, des installations humanitaires qui sont visées. Et pour, mener, on dit qu'ils sont venus à pied. Voilà. Mais bon, ça pose quelquefois un problème. Ça pose un problème de vigilance. quoi qu'on dise, la question de Scott, ça ne peut pas régler le problème fondamentalement. À partir du moment où on dit qu'une zone est militarisée, à partir du moment où on dit qu'une zone est en état d'urgence, normalement, le monde mouvement, le mouvement doit pouvoir être signalé. En tout cas, avec les drones peuvent signaler le monde mouvement suspect que ce soit à pied, que ce soit en véhicule, que ce soit en moto, à moto, mais qu'on dise que ces gens, ils parviennent, ils rentrent. Aujourd'hui, la stratégie qu'ils ont trouvée, cette stratégie, ça consiste à, créer les conditions de psychose mm. au niveau des populations. Parce que déjà que ces, ONG qui sont sur place, les humanitaires, c'est pas apporter un réconfort à ces populations qui sont souvent totalement démunies. Parce que l'État, à lui seul, ne peut pas. Maintenant, si on crée les conditions pour que ces ONG se retirent, ça va être davantage difficile et la surveillance va être davantage compliquée. Et c'est pour ça que j'ai dit, on n'a qu'à trouver d'autres mécanismes. La vigilance doit être de mise de manière permanente. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que dès qu'il y a une accalmie, deux, trois semaines, un mois, il n'y a rien, on a tendance à baisser de vigilance. Et ça permet à ces gens qui ont des connexions à l'intérieur des populations civiles, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils savent à quel moment ils peuvent venir attaquer et avoir la possibilité de fuir. Ils ne viennent pas comme ça par, hasard pour s'en prendre à une position militaire ou à un village. On a comme l'impression que tout est planifié. Maintenant, il revient, en tout cas, aux autorités régionales et à nos forces de défense et de sécurité, mais également aux, troupes, euh, comme on avait dit, étrangères, qui sont là avec des moyens sophistiqués. Ils reviennent de coordonner les, comme on avait dit, les, machines de coordonner les renseignements et puis pouvoir agir efficacement, même quand la personne, parce qu'on ne peut pas empêcher totalement qui pénètre pour, faire, pour vouloir faire des choses, mais quand la personne pose ou quand le groupe pose un acte, qu'on lui permette, qu'on ne lui donne pas cette possibilité de pouvoir se retirer. Et malheureusement, c'est à ça qu'on assiste à chaque fois. Ils viennent, quand il s'agit de prendre des véhicules, ils prennent les véhicules et ils disparaissent dans la nature. Alors que la zone est militarisée, il y, a, même des troupes étrangères qui sont là, qui font des patrouilles. Ça pose un sérieux problème. On se pose bien des questions. Parce qu'aujourd'hui, si les humanitaires s'héritiquent de ces zones-là, je suis convaincu que euh, la population civile va devenir une proie vraiment. La population civile de ces zones va être extrêmement exposée parce qu'il n'y a pas d'assistance non seulement humanitaire, mais il n'y a pas aussi la protection nécessaire. Déjà qu'il y a beaucoup de villages qui ont euh, comment dire, euh, qui ont quitté. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées dans ces zones-là. Si maintenant il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'assistance sanitaire, ça deviendra un chaos. Et c'est en fait peut-être ça que les djihadistes cherchent à faire au niveau de, la bande nord de Hussein Issa, selon une dépêche de l'AFP, l'ONU suspend ses activités dans la région de Tilabiri pour des raisons sécuritaires. Quelles seront les conséquences d'une telle décision l'ONU suspend parce que euh, même les troupes euh, qui sont là-bas, quelque part, ils sont sous la coupe de l'ONU. Ça, veut dire, s'ils décident, en tout cas, les troupes militaires, il y en a qui sont sous la coupe, euh, comme on avait dit. Mais si l'ONU décide, de suspendre, on ne sait pas les motivations, je ne sais pas. C'est peut-être à cause de l'insécurité. Mais ils sont venus pour aider à endiguer l'insécurité. Et ça, ça pose le problème de la présence de ces troupes-là. L'ONU n'est pas, c'est des organismes, c'est des organismes, il y a plusieurs organismes qui interviennent au titre de l'ONU. Tous les humanitaires, pratiquement les grands humanitaires, là, ils sont sous la couverture de l'ONU. Ça va rendre encore davantage difficile les conditions de vie des populations qui sont déjà dans une situation de précarité souvent. S'il n'y avait pas ces, organismes, s'il n'y a pas ces organismes-là pour les aider à, à, à, à, se tenir, ça va devenir un no man's land où les djihadistes vont venir. Ils vont même pouvoir prendre une position en tout cas un espace pour, pour, pour pouvoir mener leurs activités, comment un néfastes. Garamadou, vous avez quelque Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'ONU aujourd'hui, les, les, les, ONG des Nations Unies qui, qui, qui, opèrent dans la, la zone n'ont pas le choix. Ben, elles ont compris une chose essentielle c'est que les complicités des terroristes sont toujours dans les camps. Parce que, comme l'a dit Hussein, ces gens-là ne sont pas venus par hasard comme ça. Ils sont levés un matin, tiens, on va dans un camp euh, pour prendre. Non, non. Ils étaient informés qu'il y avait les véhicules. Est-ce que vous comprenez Ils ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus directement là où il y a les véhicules. Donc, les Nations Unies ont compris qu'il y a des complicités dans le cas. Aussi bien à Difa, dans les camps de réfugiés, il y a des complices de Boko Haram, qu'à Tilabiri, il y a des complices de terroristes dans les camps. C'est ça le problème quand les populations se déplacent. Les terroristes sont intelligents. Quand il y a des mouvements de population, ils mettent leurs éléments dedans. Ça s'est passé en Syrie. Quand il y a des mouvements de population, les terroristes rentrent parmi les gens pour se déplacer. Est-ce que vous comprenez C'est une tactique intelligente mais qui est vieille comme le monde. Et donc, je vous dis, les complices des terroristes sont dans les camps. C'est les réfugiés qui les informent des mouvements, des, des mouvements, des, horaires de présence de militaires, des horaires de présence des ONG. Les habitants des camps les informent. C'est eux qui leur ont dit qu'il y a deux véhicules qui sont là. Et ils sont venus tranquillement, ils ont pris les véhicules, ils sont partis. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand même, on a dû téléphoner pour leur dire que des véhicules ont été volés. Donc on pouvait intercepter ces gens. Pourquoi ça Qu'est-ce qui se passe Moi, je ne comprends pas. Mais une chose est sûre, le fait que l'ONU suspend ces activités-là, ça va encore avoir un effet encore plus dévastateur. Parce que là, c'est le désarroi, c'est la débandade. Il y aura encore d'autres mouvements de population. Parce que s'il n'y a pas les ONG pour aider les populations qui, pour se stabiliser, ces populations-là vont se déplacer pour venir vers les centres-villes, vers la ville de Tilabiri, où il y a déjà des camps, le camp de Tadresse, etc. etc. N'est-ce pas les camps, Le camp de Saquara, etc. Donc, ils vont encore venir et qui sait. Donc c'est pourquoi je vous dis que cette affaire-là, c'est une affaire extrêmement inquiétante. Il faut que des mesures soient prises pour sécuriser les camps. C'est vrai, c'est bon, mais aussi le fait que de prendre, en tout cas, de, de, faire des bonnes escortes pour, euh, en tout cas, euh, protéger les véhicules des humanitaires qui opèrent dans la, zone du Tilabéry. Gary Amadou, comment analysez-vous euh, tous ces faits dans les localités sous état d'urgence et où les criminels arrivent souvent à s'échapper Mais parce qu'il y a des complicités de la population. Parfois, ce sont des gens qui vivent parmi la population. Ils ont leur moto ils ont leurs armes cachées. C'est pas qu'ils traversent la frontière pour venir. Non, non, non. C'est quand ils font l'opération, après l'opération, qu'ils traversent pour repartir. Mais pour moi, ils sont dans la population. N'est-ce pas Ils sont parmi la population. Et à un moment donné, je vous dis, ils décident d'opérer et ils partent, ils traversent la frontière. Mais ils vivent parmi les gens. C'est là où il faut mener des enquêtes. Au niveau du camp, là, le camp on dit que les militaires, il y a des heures où ils sont là et des heures où ils ne sont pas là. C'est ça qu'on nous explique. Et donc, ça, les terroristes sont au courant de ça, c'est sûr. C'est pas qu'il y a des militaires tout le temps hein, dans le camp. Non, non, non, renseignez-vous. Il n'y a pas de militaires tout le temps dans le camp. Donc, ça, c'est une anomalie qu'il faudra corriger pour permettre à ce que le camp soit protégé en permanence. Mais surtout, il faut infiltrer le camp avec des éléments de sécurité. Il faut infiltrer le camp pour pouvoir détecter les éventuels complices il faut que les éléments de sécurité se faufilent en tant que réfugiés et qu'ils puissent vraiment pouvoir. Parce que je vous dis, le verre est dans le fruit. Les complices des terroristes sont dans les camps. Je vous assure. Les complices des terroristes à Inates sont dans Inates. Les complices des terroristes à Difa sont dans Difa. Les complices des terroristes à Ménosoroa sont dans Ménosoroa. C'est ça le grand problème. Et donc, il faut mener vraiment des enquêtes extrêmement, en tout cas, euh, euh, euh, sérieuses. pour pouvoir détecter ces gens-là et les mettre hors d'état de nuire. Parce que ce sont eux qui sont en train de causer tous ces problèmes là Niamey et d'autres villes du Niger vivent avec des coupures longues d'eau et d'électricité. Issa Ouseni, avez-vous des précisions sur les causes de ces désagréments dans la fourniture de l'énergie électrique et dans la distribution d'eau potable Je veux dire, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ressentent ça durement, c'est parce que on, est dans un mois spécial, le mois de Ramadan. Et en plus, ce qui coïncide avec un mois où il fait extrêmement chaud, le mois de mai, on sait que d'habitude c'est l'un des mois de l'année les plus chauds. Et qu'on se retrouve subitement, en tout cas de manière inattendue, je ne dis pas par le passé, même il y a des coupures. Les mois précédents, il y a eu des périodes de coupures où les gens, mais on arrive à stabiliser. Mais cette fois-ci, c'est pratiquement de manière permanente ce n'est pas des coupures de une heure, deux heures de temps. C'est souvent des coupures qui, prennent, qui font 24 heures. Et, bien évidemment, quand il y a une coupure d'électricité, c'est que les pompes au niveau des châteaux d'eau, les machines ne peuvent pas <clears throat> pomper l'eau. Voilà la situation telle qu'elle se pose. Maintenant, pour ce qui est des causes, moi, je n'en ai pas. Et c'est ça qui, qui, intrigue euh, les populations. Quand il y a des problèmes comme ça, parce que vous savez bien entendu que pendant cette période, l'eau comme l'électricité, la demande est quelque part, tout le monde en a besoin. En tout cas, que ce soit, comment veut dire, euh, le, nanti comme le pauvre, il a besoin. Parce que même si c'est un ventiquet, il prend pour au moins, parce qu'il fait très chaud. L'eau aussi, au moment de la rupture, pour te laver. Qu'on dise qu'il n'y a pas d'eau pendant ce mois de jeûne, qu'on dise qu'il n'y a pas d'électricité pendant ce mois de jeûne, moi je dis, c'est intolérable. C'est intolérable dans un pays où les gens se disent musulmans. On doit pouvoir créer les conditions pour que la situation soit rétablie. Mais d'après ce que je viens d'entendre, c'est que le mois va s'épuiser avant que le problème ne puisse être réglé. Et ça, ça va être dommage. Ça ne peut pas être admis. Moi, je dis, ce pays, ce qui fait plus mal dans ce pays, ou ce qui fait que les choses ne bougent pas, c'est qu'on ne sanctionne pas. Qu'on dise voilà les problèmes. ils ne sont même pas fichus, sortis dire voilà exactement les problèmes. On communique pas d'autres euh, mécanismes, comme avez avait dit. Ça n'a euh, fois, ils ne communiquent même pas. Ils communiquent même pas. Mais ce qui est en train de choquer, en tout cas les gens, ce qui frustre les gens aujourd'hui, je viens de le dire, c'est parce qu'on est dans un mois, un mois spécial un mois spécial qui a coïncidé avec, comme avait dit, qui, qui, avec une canicule aussi très forte. Comment on va dire aux citoyens qu'il faut patienter jusqu'à ce que la situation soit rétablie On ne sait même pas quand est-ce que la situation va être rétablie. Et, et, je pense que ça, ça doit pouvoir donner lieu à des sanctions. Ceux qui gèrent la société d'électricité doivent en tout cas répondre Comment ça s'est passé Parce qu'il faut prévoir. Tout le monde sait que c'est au mois de mai que <laughs> le, jeune va débiter. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est caché On sait que c'est au mois de mai. Mais comment c'est au mois de mai qu'on dit qu'il y a telle chose, telle chose, tel problème, tel problème Ça n'a aucun sens. C'est même une insulte à l'endroit des consommateurs. Parce qu'à la fin du mois, on t'amène ta facture, tu ne payes pas le 5 qu'on vient, on te coupe. Alors que pendant tout le mois, tu n'as pas eu 10, jours d'électricité en permanence. Complètement, les factures sont les, mêmes. Les factures sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est la même facture qu'on reconduit à, à, quelques machines. Exception À quelques exceptions. C'est la même facture d'un mois à l'autre. Que l'électricité tout le mois, que tu seulement 10 jours, c'est la même facture qu'on t'amène. J'ai dit, c'est révoltant ce qui est en train de se passer. Il faut privatiser la Nigélec. Si ces gens qui sont à la tête, que ce soit une, qu'on privatise, qu'on ouvre le, que des, privés viennent s'installer de la même manière que ça a dans certains pays il y a des opérateurs indépendants qui, de la même manière que ça a été dans le domaine de, la téléphonie mobile aujourd'hui tout le monde a, son téléphone si les prestations de la Nigélec ne sont pas bonnes, la Nigélec n'est pas en mesure de faire de bonnes prestations, les gens vont aller ailleurs. Parce que vous ne pouvez pas payer à la fin du mois. Vous n'avez pas l'électricité en permanence. Et quand vous n'avez pas l'électricité, souvent vous n'avez pas l'eau parce que tout simplement, les deux choses vont ensemble. Garé Amadou, si pour euh, l'électricité, le Niger dépend essentiellement du Nigeria, comment expliquer le manque d'eau au bord du fleuve Niger Oui, on dit qu'il y, a une décrue forte du fleuve Niger, il n'y a pas beaucoup d'eau dans le fleuve. Euh, mais moi, je, pense que pour la. Je vais revenir sur la question de l'électricité les gens sont en train de souffrir hein, sur les deux points, l'eau et l'électricité, surtout dans les quartiers périphériques. Parce que, vous savez, oui, partout. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'eau. Hein. Il y a un problème d'eau sérieux. Et l'électricité, on n'en parle même pas. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois qui est particulier parce que le soir, les gens cherchent l'eau fraîche pour se rafraîchir. C'est la glace. La glace. Aujourd'hui, la glace, au me dit qu'il y a des quartiers où la glace qui se vendait à 50 francs, je sais pas, à 500 francs. 500 francs une glace. Vous vous rendez compte qu'il faut faire un rang donc ça, c'est extrêmement choquant. Et vous savez, moi, pour moi, la Nigélec, elle doit avoir quand même un peu de... Un peu de, C'est-à-dire que quand vous savez que vous, vous, ne donnez pas assez de courant aux gens, il faut avoir la décence de ne pas partir les couper à la fin du mois. C'est-à-dire, c'est la moindre des choses, vous comprenez ne, ne, rentrez pas avec le véhicule pour couper les gens. C'est un peu... Vous devez... Moi, moi, moi j'aurais honte de partir chez quelqu'un en tant qu'agent de l'Angélique pour le couper parce qu'il n'a pas payé, alors que je sais que moi, je ne suis pas en train de le donner à ceux de, courant. Ça me gêne. Ça m'étonne comment est-ce que les gens aisément comme ça vont partir couper les couper jours. On me dit que les voitures qui sont en train de pour couper. Mais comment pouvez-vous faire des trucs comme ça Vous vous rendez pas Pendant qu'il n'y a pas l'électricité. Mais vous vous rendez pas compte que ça n'a aucun sens quand même. Et puis tout ce argent-là que l'Angélique a magazine, c'est des milliards par mois. Mais quand même. On me dit que non, non, on a commandé une tribune qui va venir par. non. C'est-à-dire, il faut, il faut. Vous savez que le mois de Ramadan est un mois de haute consommation d'électricité. Donc, avant que le mois de Ramadan ne vienne là, prenez des mesures conservatoires. On, a, coutume de dire que le gouverneur sait prévoir. Hier, par exemple, j'ai interrogé un gars, il dit Mais qu'est-ce qui se passe Il me dit qu'il y a une panne au niveau du Nigeria. Depuis 14 heures, ils sont en train de le réparer. C'est vrai, la panne est réelle. Il y avait une panne. Parce que si, en fait, le courant du Niger c'est un concours sur le courant du Nigeria, plus ce qu'on produit, qui permet d'avoir une situation stable. Mais dès que le Nigeria coupe là, là c'est un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas assez, il faut faire des opérations de délestage. Vous comprenez Donc maintenant, en attendant que le Nigeria puisse, puisse se rétablir, il qu'il faut trouver des solutions pour qu'on puisse devenir indépendant. Vous voyez, on est en train de se diriger vers la zone de libre-échange économique où on dit qu'il faut que le Niger soit compétitif, il faut que le Niger puisse profiter, il faut que l'industrie du Niger puisse se renaître. Mais l'industrie, c'est l'électricité d'abord. On ne peut pas investir dans un pays où il y a des problèmes d'électricité. n'est pas possible. Quelqu'un qui a une entreprise quelque part qui dit qu'il veut investir au Niger, il va se renseigner. Est-ce que l'énergie est disponible On va dire, ah, au Niger, le courant là, c'est un problème. Ah, si c'est ça, moi, je n'installe pas ma société. C'est évident. Donc, la clé du développement, c'est l'indépendance énergétique. On ne peut pas continuer tout le temps à dépendre du Nigeria. On ne peut pas, Ce n'est pas possible. Et la preuve est là. C'est la panne du Nigeria qui nous met dans ce truc-là. Et eh, la panne, on dit qu'on est en train de parler On me dit que non, non, ça, incessamment, ça veut dire quoi Ou bientôt, bientôt, ça veut dire quoi C'est vague. N'est-ce pas Donc, il faut vraiment la clé pour que le Niger puisse avoir son indépendance énergétique, trouver d'autres sources. Et pour moi, on a le soleil 365 jours par mois, par an. Il faut qu'on puisse, l'énergie solaire là, que ça puisse être l'énergie de demain. Hussein Issa, comment voyez-vous les lendemains dans les secteurs de l'eau et de l'énergie au Niger j'ai dit, c'est des choses qui vont ensemble. L'énergie et l'eau <coughs> vont ensemble. Parce qu'il faut de l'énergie pour pouvoir pomper l'eau dans les châteaux. Maintenant, ça se pose le problème en termes de politique publique. Vous savez, quand il s'est agi de construire Gourbanda il y a des gens, notamment le professeur Albert il a dit que ça va être un investissement qui ne va pas servir à grand-chose et qui va coûter extrêmement cher. Mais les gens, comme il y a des dessous de table, certainement, les gens ont mis de côté, et, euh, comme avait dit, euh, la centrale solaire. de centrale solaire. Alors qu'il fallait, il suffisait simplement d'augmenter un peu l'enveloppe. Le, la, au lieu de 85 milliards, autour de 100 milliards, on pouvait faire qui allait qui, avec une capacité exceptionnelle qui peut couvrir Niamey et ses environs. Le Béret l'a démontré et que ça va coûter moins cher parce que c'est l'amortissement seulement. Et c'est l'énergie propre. C'est l'énergie propre. Mais malheureusement, les gens n'ont pas voulu, comme avait dit, cette option, parce que tout simplement, pour des considérations, en tout cas multiples. Et moi, je ne vois pas, parce qu'aujourd'hui, on va dire, on attend encore Kandaji. Kandaji, on ne sait pas quand est-ce que ça va débuter, parce que d'accord, il y a des partenaires qui se sont engagés. Mais moi, j'ai cessé de croire à ce que quelqu'un vienne développer chez toi, c'est toi qui dois trouver les mécanismes, les moyens pour pouvoir être autonome sur ces questions-là. Si on voulait construire Kandaji, on allait le construire depuis longtemps. Mais parce que simplement, Kandaji n'est pas une priorité. Mais on n'a qu'à faire la centrale solaire. on peut faire des centrales solaires. Vous allez au Burkina un peu partout. L'électricité est produite par les centrales solaires. Vous allez au Mali, c'est la même chose. comme on avait dit, jusqu'au Maroc où il n'y a pas beaucoup de soleil, dans beaucoup de pays, les mm. instruments solaires là sont détaxés. Ils sont détaxés. Si vous ne pouvez pas produire l'électricité à tout le monde, en tout cas de, en quantité pour couvrir les besoins, mais créer les conditions pour que les gens puissent au moins aller acheter leur, euh, comment dire, les installations solaires et puis venir installer chez eux. C'est la moindre des choses. Mais on ne peut pas priver les gens et dire non, c'est pas possible d'aller euh, acheter, comment dire, ces installations-là pour venir placer. Si vous voulez de l'argent, créez les conditions pour que les gens aient l'électricité en permanence, que les gens aient l'eau en permanence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens par rapport à l'eau, ils font des forages dans leur propre maison. L'eau souterraine Oui, bien sûr. Mais c'est facile. Avec des motopompes, tu tires l'eau. Tu... En tout cas, ne serait-ce que l'eau pour faire <clears throat> Comment les travaux de maison, tout ça. C'est ça. Il y a beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas de fiabilité de l'autre côté. Et c'est des sociétés, c'est des sociétés, comme on avait dit, qui sont là depuis des années on se pose la question. Par exemple, la tout l'argent qu'ils engrangent par mois, ça passe où Il n'y a pas d'investissement. Ils doivent pouvoir faire des investissements. On n'a pas l'impression qu'ils sont en train de faire des investissements. Et c'est ça qui nous a amenés là. On est là à s'agripper au basque du, du, Nigeria. Ça fait combien d'années Quand c'est la saison de pluie, on nous parle souvent que c'est des pylônes qui sont tombés, on est en train d'arranger. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. On a le, soleil, Yari vient de le dire, 365 jours sur 365. On n'a qu'à exploiter et c'est une... Ça finit pas. Ça finit pas. Ça finit pas. C'est pas, pas une matière qu'on va dire un jour ça va finir. En tout cas, ce n'est pas de sitôt, Ça va, c'est des siècles et des siècles ou des dizaines de milliers, des millions de siècles avant que le soleil ne s'éteigne. Gary Amadou, comment mettre fin à ce cycle de désagrément dans les deux secteurs vitaux Mais la, clé, je vous dis, Hussein vous l'a dit, il faut qu'on soit indépendant énergétiquement. Je l'ai dit. Moi, je vous dis, ça m'a choqué quand je suis parti dans un ministère, je ne vais pas dire lequel, un ministère qui était resté sans électricité toute la journée. Vous vous rendez compte ce que ça a comme conséquence sur l'administration On ne peut même pas tirer un papier. Donc, quelque part, est-ce qu'on a calculé le manque à gagner C'est-à-dire, ces coupures-là, on a calculé le manque à gagner pour l'État, pour celui qui a une boutique dont les produits sont, sont en train de pourrir, celui qui a du, lait. Au niveau des pharmacies. Au niveau des pharmacies, ces produits qui sont en train de se gâter. Les banques, les, banques de sang, et, si ceci, si, ceci, cela. C'est-à-dire, est-ce que vous, les gens sont en train d'imaginer les conséquences C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment que les gens prennent cette chose-là très au sérieux. Parce que, je vous dis, il y a un certain malaise au sein de. Les populations souffrent. Vous voyez des gens avec des bidons qui sont en train de chercher de l'eau. Surtout dans les quartiers vous que entendez les enfants. Mais oui, mais oui, mais oui. Vous, vous entendez des enfants qui pleurent toute la nuit parce qu'il fait chaud, n'est-ce pas Le ventil a arrêté. Ça fait pitié. Les gens ne dorment plus. Nous, nous ne dormons plus. On passe pratiquement toute la nuit éveillés pour surveiller nos maisons Parce que l'autre conséquence, c'est que quand il y a une coupure généralisée comme ça, ah, mais les, les, les voleurs sont, sont, sont, à l'aise. C'est-à-dire c'est, c'est vraiment quartier libre. Les voleurs sont, opèrent comme ils veulent. Et donc, nous, on est obligé d'être éveillés toutes les nuits pour surveiller nos maisons. Vous comprenez Donc voilà encore, c'est-à-dire qu'on plonge la population encore dans une certaine insécurité ça le savoir. Ces coupures-là font en sorte que les voleurs soient encore plus nocifs qu'avant. Donc vraiment, il y a la nécessité rapidement à trouver des solutions à cette affaire-là. C'est-à-dire que il faut que le Niger puisse détacher de plus en plus du, Nigeria. Je vous assure. Parce que tant qu'on va continuer à dépendre du Nigeria, là, je vous assure qu'on ne sortira pas de l'auberge. C'est clair et net. Ça veut dire qu'on va continuer à souffrir. Ça veut dire qu'on aura des périodes où le Nigeria eux-mêmes. Le Nigeria, moi j'ai été au Nigeria. Le Nigeria, ils n'ont pas assez d'électricité. Vous savez, ce qu'ils nous font, c'est extrêmement important. Voilà un pays où il y a pratiquement des coupures. On peut faire une journée sans électricité. Moi, j'étais au Nigeria. J'étais dans une ville du, du, du, du, du sud. Vous pouvez faire deux jours sans courant. Deux jours sans courant. Et malgré tout, le Nigeria nous donne, enfin, il donne l'électricité là. Pratiquement parce qu'il y a des accords qui ont été signés, il nous donne ça, c'est de la charité. Il dit qu'ils se privent pour nous donner. Mais ça ne peut pas continuer. Ils n'en ont pas assez. Hein. Si vous partez à Lagos là, le nombre de coupures par jour là, mais vous n'allez pas croire. Si vous partez dans les États du Nord là, où mais c'est des coupures tout le temps. Mais pourtant, malgré tout, ils acceptent de nous donner pour qu'on soit. là-bas, il ne fait pas aussi chaud qu'ici que, que, au Niger. Oui, mais la conséquence, c'est pas ça qui est important. Le, plus important, c'est qu'eux aussi, ils ont besoin de courant. Ils n'en ont pas assez. Mais pourtant, ils nous donnent. Mais ce que je sais, qu'un jour, ça va s'arrêter. Il faut qu'on puisse vraiment se démarquer, qu'on puisse produire notre propre énergie. Je vous assure. Et qu'est-ce que la, la, population peut faire euh, au sujet de l'électricité Ce qu'elle peut faire, moi, je pense qu'il faut faire la promotion de l'énergie solaire. Vous savez, il faut commencer, il faut encourager les gens à mettre des panneaux solaires parce que. En détaxant, oui, en détaxant. C'est-à-dire que faire en sorte. L'État peut, en tout cas, euh, subventionner les panneaux solaires pour qu'on puisse les avoir à très bas prix. Les batteries. Parce que ce sont les batteries qui font, qui font en sorte que l'énergie qui vient des panneaux solaires peut être emmagasinée dans les batteries et elles peuvent servir la maison. Avec ce système-là, la Nigélec peut souffler un peu peut-être. Vous comprenez Et les gens peuvent avoir l'énergie locale qui peut leur permettre au moins d'allumer les lampes et d'être un peu en sécurité. Et c'est ça la solution. Franchement, faisons la promotion de l'énergie solaire, faisons la promotion des panneaux solaires. Il y a plusieurs sociétés. Et même des forages euh, au niveau des, des domiciles Oui, au, niveau, des domiciles, c'est aussi une solution parce que si on peut pas avoir, si l'eau du fleuve se raréfie, c'est qu'il peuvent l'eau au sol il faut la nappe souterraine, il faut la soutirer. Donc, je pense qu'il faut aussi euh, qu'on puisse permettre aux gens d'avoir des forages. Et même si le forage coûte cher, c'est que c'est l'État qui doit prendre en charge l'installation de plusieurs forages dans tous les quartiers de la capitale. Parce qu'il est inconcevable que dans, dans une capitale, qu'on puisse voir des gens traîner avec des bidons pour chercher de l'eau. Ça, pour l'image d'une capitale, je vous assure, c'est pas bon. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Garé Amadou du quotidien La Nation, Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 pour le forum à Hausa sur l'insécurité à Tawa et en Zarma sur l'impact de l'état d'urgence sur les activités socio économique dans le département du terrain. Merci, au revoir.